Bonjour à tous. Hein. Euh, mon nom est Antonio Izquierdo, comme représentant de l'Union européenne euh, ici. D'abord, je voudrais remercier à toute la société civile, aux chefs religieux, au ministère de l'Environnement, la mairie de Pékin, la commune de Malika, et vous tous qui se sont rassemblés pour montrer votre intérêt et votre engagement à développer ces projets. Euh, L'Union européenne euh, a organisé, mais surtout avec vous, cette cérémonie qui vise en quelque sorte à améliorer la vie des citoyens de cette commune. Il s'agit euh, de planter des fils à eau sur la zone des dunes pour freiner l'avancée de la mer et l'érosion éolique et en quelque sorte aussi pour parer aux effets inévitablement nocifs, parfois du développement euh, routier et, des infrastructures. Euh, donc je dois vous dire que je suis assez impressionné par l'intérêt et la maîtrise du projet que vous avez. Euh, j'étais vraiment ébloui des explications techniques et botaniques du lieutenant. Où est-ce qu'il est, bon, on, l'a perdu. Et euh, ça démontre que vous tenez tous au développement de ce projet. Nous sommes le partenaire financier, mais vous êtes les pilotes de ce projet, ce qui veut dire que le suivi vous incombe. Hein. Après le financement de l'Union européenne, c'est à vous à prendre dans les rênes les, la gestion du projet, son développement, son suivi, son exécution euh, à jamais, parce que vous êtes le bénéficiaire direct vous êtes les maîtres et vous, êtes toujours ici rassemblés justement pour montrer votre entrée. Donc il faut que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, que ça continue et que voilà, on, contribue à l'embellissement de la zone. Hein. Si vous jetez un coup d'œil aux alentours, c'est une zone magnifique. Hein. Euh, je suis vraiment euh, euh, impressionné de, la beauté de l'endroit. Bon, eh bien, il faut que le plastique voilà, ne, fasse un gâchis hein, et, que, ça contribue à votre niveau de vie. Voilà, merci beaucoup à tous. Alors, une question, est-ce qu'en finançant ce projet, l'Union européenne est un peu inquiète concernant la gestion culturelle et les menaces donc, concernant les frontières en Afrique et au Sénégal en particulier Mais Écoutez, euh, la contamination euh, éolique et, euh, l'avancée de la mer, ça, ça se passe partout. Hein Donc l'Union européenne fait un projet aussi de, maintien des mangroves euh, du Sénégal au Bénin. Donc euh, c'est une préoccupation de la Commission européenne, de l'Union européenne. Ici, c'est un bel exemple, hein, parce qu'on réconcilie le développement économique avec la protection de l'environnement pour contribuer à votre niveau de vie, comme je viens de dire tout à l'heure. Hmm? Vous êtes le partenaire financier de ce projet. Pouvez-vous nous dire en termes de statistiques le coût de projet, le coût de cette action est de 800 millions d'euros. Hein. Mais il y a d'autres projets qui sont en préparation, il y a d'autres projets qui sont déjà euh, en place. Hein. Je ne veux pas vous donner de grands chiffres. De toute façon, je crois que plutôt que les grands chiffres, ce qui compte, c'est cette petite action ici, hein. cette action de, plantation des de, filao, ce ne sont pas des, grands chiffres, mais le projet en soi pour, la, la commune de Malika, c'est 800 000 euros. No, no, no, 800000 euros. Malika yëpp. di am mbégte rek di wane nag euh, importance su projet bi gëdd bi nga xam ne moom la ko waa Malika jox li xew nii mooy waral ne waa Malika mbir mi ñor na leen moo tax ñu taxaw taxawaay bi di euh, sant waa Union européenne madame le sous-préfet notable yi fi teew jeunes yi ñun ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di am mbégte lool nag ci lii nga xam ne def nañ ko ndax bu ñu waxee changement climatique rek Malika daf ci am wàll wàll wu rëy wàll woo xam ne bii ku ne xam ne gis na suñu géej gi menaces yi nga xam ne moo ci am ci avancement bi ku nekk gis na mbëbës gis nañu dex yi ak tool yi bu ci nekk am na menaces yu ngan ngand yoo xam ne tey jii ah xamuñu fu ñu jëm ak moom kon initiative bu su amee tey jii ñu ñëw fii ci Malika waa Malika gépp takku notable yi jeunes yi mairie bi ñëpp taxaw xam ni projet bi am na njariñ pour Malika ñu tax ko bëgg koo jëmmal bëgg koo gunge mu jëm kanam vraiment dañ ciy am mbégte lool di kontaan lool di kontaan ñi fi teew ñëpp nag di di am mbég eh, ci ki nga xam ne kii mooy ndaw ministre de l'environnement Union européenne maanaam koo xam ne kii teew nga fi daal te bés bi tax la fee teew rek pour lu jëmale Malika kanam ñu ngi lay sant di la gërëm jërë ngeen jëf. alors menace yi nga wax menace yi nga wax léegi dafay freiner développement Malika yan gàllankoor la ko indi ci wàllu population ak ci wàllu économie. indi na gàllankoor yu rëy ndax ku nekk xam na ni géej gi boo ko nee jàkk ki fi nekkoon Malika bu njëkk nekk fi tey jii bu xoolee géej gi xam na ni am na avancement boo xam ne bii am nañ ci am tiit beneen bi ci des mooy fii nga xam ne mbalit bu nu jëlee ci ndakaaru rek mu ngi jëm si fii ci Malika ku ne xam na ni loolu am na effet boo xam bii def na ko ci biir Malika boo xam ne tool yi nga xam ne moom lañ daan bayee Malika fii dëkku mbay la naka jekk dañ fi daan may tey jii benn toolet mënatul a dem lan moo tax parce que napp bi yàqu na loolu moo tax kenn mënatu fee bay dara eh, eh, li nga xam ne itam mooy inondation yi sonal nañu dex yi nga xam ne itam moo fi nekk yi tamit dex yooyu dafa amoon valeur parce que waxuma la ay jën wala ay jëse gi yëpp fi amoon vraiment mu doon kii boo xam ne bii dafa rafetoon ku fi taar ku fi duggoon rek da ngay kontaan ci Malika loolu yëpp tey jii mu ñuy réer

et toutes les zones à vocation agricole et pastorale, ainsi même que les infrastructures. Cette plantation déjà nous permet non seulement de fixer aujourd'hui la dune qui menace la VDN3, mais également améliorer le paysage environnemental de la communauté en ce qui concerne le département de Pikine. Moi, je suis le lieutenant Ibrahim Omar, chef du secteur forestier du département de Pikine, également chef des opérations techniques du plan d'aménagement de la forêt de Mbao. Euh, aujourd'hui, nous sommes à 900 plans qu'on a réalisés euh, ici au niveau de cette dune, dans le programme de 2019. Dans le programme de 2018, nous avons déjà réalisé 4 hectares 500 en, eucalyptus, en cocotier. Mais ici, nous, nous sommes, nous utilisons l'espèce qu'on appelle le filao, le casuarina equisitifolia. Euh, nous avons planté ici à l'écartement 4x4 et les plants sont entretenus hebdomadairement à raison de 10 litres par plant. Cette technique de plantation de contre-saison se justifie par la rareté des pluies au niveau de la zone. L'année dernière, l'écart entre la première pluie et la deuxième est environ deux mois. Vous voyez que dans ces conditions, c'est très difficile de pouvoir développer une plantation. C'est pourquoi nous anticipons sur, euh, ce programme de reboisement. Vous voyez aujourd'hui euh, les autorités administratives, donc la ville de Pékin, euh, la commune de Malika également et donc les autorités administratives. Cela se justifie tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui accompagnés par le projet, par le programme PICEP. PICEP est un programme intercommunal des maires francophones euh, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et comme les changements climatiques sont fortement ressentis ici dans le département de Pékin, particulièrement au niveau du littoral, par l'érosion côtière, ils ont voulu aujourd'hui nous accompagner donc dans cette noble mission. C'est ce qui justifie aujourd'hui leur présence. Et nous les remercions.